C'était des bandits qui viennent dans des villages. Il faut le ratissage de tous les animaux qu'il y a dans le village. Et il y a même des moments où ils prennent leur haut-parleur pour dire que tout celui qui possède quelque chose de bien, qu'il le sorte avant que eux, ne le trouvent dans sa propre maison. Quelqu'un qui possède 200, 300 têtes de bétail, aujourd'hui, il n'a plus rien. Il a zéro tête de bétail. Donc, il faudrait que l'État pense à aider ces personnes-là. Parce que ces villageois-là, ils vivent de la culture et de l'élevage. Maintenant, qu'ils n'ont pas eu à cultiver. Parce que ces gens-là, ils ont empêché aux gens de cultiver pour avoir de quoi manger. Avec cet élevage-là, quand ils ont des cérémonies de mariage, cérémonies de baptême, tout ça, ils prennent quelques animaux pour les vendre et souvenir à leurs besoins. Malheureusement, il n'y ni la culture, il n'y ni l'élevage, donc ces, ces gens-là sont à zéro.